dans n'importe quel parti mën nga am sanction li am solo mooy nga ou ko wala nga ko. mais est-ce que sanction sanctions ça a été discuté en nombre. non les sanctions dans un parti politique un parti politique normal comme toute organisation. de la société civile. dafa à un statut et un règlement. Euh, man ak yow li choses wax fii dara codifié wu ko courtoisie ak respect ak affection mutuelle mais si nous waroon liggéey dara pour xaalis génn il faut obligatoirement ñu signer contrat une convention ak ay article nga xam ni lu ci ne du am nous naa du am nii ko interpréter. mais nous avons ni lii la texte bi wax man dama xaw légaliste donc statut si nous avons une association la ah, qualité de membre le « membership bi li koy dañuy acheter la carte de membre et accepte de se soumettre aux dispositions statutaires et réglementaires du parti donc il a accepté de se soumettre aux dispositions statutaires et réglementaires et il est allé s'excuser auprès de son mentor politique parce que relation Idrissa avec Yankoba, Ergote trop je les ai vus ensemble c'est lui qu'on reproche une faute c'est lui qui a, qui a trouvé nécessaire de s'aller s'excuser c'est encore une décision personnelle qui peut engager l'homme qu'il est le responsable qu'il est et man je ko naw ci parce que nous avons ñoo am grandeur parce qu'en politique nous avons tel suñu nous dañu am des égos surdimensionnés Si tu as 800 like rek 300 300 vues tu crois que tu as une responsabilité nationale or dans ta base tu es incapable de réunir ben Ndiaga de 42 places donc moi, j'approuve et je soutiens Diatara sur ce qu'il a fait